Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, connectez sur les radios partenaires du studio Kalangu à travers le Niger, Merci pour votre marque de confiance. Merci pour votre fidélité. L'artiste s'exprime, s'est déplacé du Niger au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, à la découverte d'un artiste burkinabé talentueux. La musique n'a pas de frontières. Aujourd'hui, vous allez découvrir du pur talent en termes fada sur cette émission. Massa Deme, c'est l'artiste que nous recevons sur cette émission au jour d'aujourd'hui. Tout ce que vous voulez savoir sur Massa Deme, c'est tout de suite maintenant sur cette émission. Hey. Massa, comment tu vas je te souhaite la bienvenue. Mais eh ben, tu m'as emporté. <laughs> et je sens aussi que tu as emporté nos amis, euh, n'est-ce pas, euh, téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette émission à travers nos six télévisions partenaires. Je sens aussi que tu as émerveillé euh, à travers ta voix nos amis auditeurs et auditrices qui kiffent cette émission à travers nos 46 radios partenaires. Je l'espère. Massan Deme, ok, je te connais très bien, mais ils doivent aussi en savoir sur l'artiste ma qui se cache derrière ma Alors déjà, merci à toi mon frère Dondi, merci au studio Kalango pour l'honneur. Déjà, Massa il faut retenir que Massa est un artiste musicien burkinabé, natif de Bobo Dioulasso, la capitale économique et culturelle du Burkina Faso. Massa est partagé dans un univers musical qu'on appelle euh, folk mandingue. C'est un mélange de blues, de jazz, de rock, de folk, de pop, tout ça influencé par le mandingue. Et euh, à ce jour, Massa a un album produit euh, sous le label MCS World Music. Alors voilà, c'est un peu ça l'univers Massa Deme. <laughs> album Tunga, un album de 10 titres. Ouais. Alors, euh, on va découvrir cet album dans un deuxième angle. Ok. Mais dites-nous, monsieur Massa, je peux te tutoyer Ouais, bien sûr. Dis-moi, Massa qu'est-ce qui a amené l'artiste à la chanson Déjà, je dirais que je ne suis pas allé dans la chanson, c'est la chanson qui est venue à moi. D'accord. C'est elle qui m'a choisi. Comme moi alors. <laughs> Bien sûr. Le métier de l'animation m'a choisi. Bien sûr. Ok. On est dedans, une famille Manding euh, mandingue, à écouter la musique euh, depuis euh, l'enfance. Mhm. Après, ça rentre dans le sang, ça rentre dans les âmes. Et ça nous importe. Super. On a envie d'en faire. tu, te rappelles un peu de quand est-ce que tu as commencé véritablement à chanter j'ai véritablement commencé à chanter euh, depuis la tendre en France, mais bon, en interprétant des chansons que j'écoutais. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première interprétation C'est de ça que j'ai besoin sur cette émission. tu te rappelles de la première chanson que tu as interprétée il y avait cela, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans Ah ouais, je, dirais c'est euh, une chanson de euh, Salif Keita Salif Keita. Une chanson du Cheval Blanc que j'aimais bien. Moi je connais Non pas bouger Ah ouais, c'est une chanson qui a Non pas bouger Alors, je peux avoir un peu. Ah, ah, ah, ne, triche pas sur l'émission, tu vas me faire euh, typiquement. Tu te rappelles de comment est-ce que tu l'as interprété euh, Oui, un peu. tu peux aller, s'il n'y a pas de souci. Fais-nous un truc avec ta voix. Soro wile le deni wile tu sais, j'ai envie de te suivre, mais tu vois, tu nous fais des effets. Ok, je sais que tu fais aussi des effets à tous qui nous kiffent parce que la voix, il a, le talent, il a. C'est pas pour rien que nous avons effectué des déplacement plus de 500 km pour te rencontrer et te permettre de t'exprimer, pour permettre à tous qui kiffent cette émission à travers les régions du Niger de découvrir Massa Deme. Alors, Massa tu aimes la musique, euh, c'est quoi ton genre musical je l'ai dit en présentation, c'est euh, du folk manding, c'est un mélange de jazz, de blues, de rock, de folk, de pop, mais, je, euh, influencé par le manding. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que, quest que tu veux véhiculer à travers le folk manding Qu'est-ce que toi tu veux C'est quoi ta touche euh, particulière Déjà, c'est une musique traditionnelle du le mhm. Et voilà, on ne peut pas faire mieux que nous devons si on fait ce qu'on peut. Mhm. Mais déjà, c'est le message et euh, l'émotion qu'on y met qui est le plus important. Super. Alors, Massandé, nous sommes pratiquement à la fin de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne pour parler de l'artiste. Qu'est-ce qu'il faut surtout savoir Si je te dis, dis-moi tout sur Massa Deme en quelques fractions de secondes, qu'est-ce que tu vas me raconter sur toi pour permettre eh bien évidemment à tous qui nous suivent de bien te connaître C'est important, c'est ça la finalité. Alors tout ce qu'il faut retenir, c'est que Massa Deme est un jeune musicien burkinabé. C'est d'abord une voix, une émotion et euh, qui a besoin de votre soutien pour euh, grandir encore plus. Alors, Massan Deme, ouais. un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Alors, je dirais à mes frères africains de toujours croire en ce qu'on fait, de s'accrocher, de jamais lâcher, de jamais abandonner. Il y a forcément le succès au bout du fil. Le succès au bout du fil. Ainsi parle Massan Deme. Mon frère. Internet pour la route On y va. Laisse nous Neto gentlemen était sur l'émission Tous à la Fada, Franco Aoussa, en la rubrique L'artiste s'exprime. On se donne donc rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour découvrir le contenu de l'album Tunga. C'était Massa, c'était la machine. C'était MCS sur le studio Kalango